salaamaaleykum euh, wa Sénégal salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu bu baax di nuyu tous les partis yi fi ñëw teew euh, di leen sant di leen gërëm bu baax ba di leen ñaanal euh, jàmm. tey nag ce qui nous regroupe ici pratiquement c'est arrestation arbitraire yu sénégalais yi di subir instant yi un peu partout à travers le Sénégal mais plus particulièrement arrestation arbitraire bu tata maire de Padoua en plus euh, avant d'être euh, la mairesse de Padoua dafa la présidente du Moji, le mouvement des femmes de Passif. donc je me dis que nous nuñ koy arrêté c'est pas parce qu'elle a commis une faute non non c'est parce que tout simplement c'est la présidente du mojip c'est juste un moyen de nous terroriser comme d'habitude parce que nous ci tous les ils veulent nous museler, ils veulent nous brimer, ils veulent nous mater, ils veulent qu'on ait peur. wax nañu kër Si rencontrer askan bi nañu toog fu ñu war a bu parce que ñun Ce qu'on ci Pastef ci Pastef du nous du nous dafa am projet gis le président Ousmane Sonko toutes les femmes tous les hommes du Sénégal toutes personne consciente de jóg ne président Ousmane pour que le projet soit abouti. vais ces gens-là ils sont affolés ils ont très mal géré les ressources du pays ils ont eu deux mandats ils ont eu dix ans pour se préparer mais au lieu de bien utiliser l'argent du contribuable il y a eu beaucoup de scandales donc je pense que quelque part c'est pour ne pas avoir à répondre pour ne pas avoir à assumer leur responsabilité par rapport à tous ces scandales là Nous avons ñuy le programme bu ñuy contre ñu mais Inch'Allah Nous rabi duñu am lu bëgg am parce que le Sénégal c'est un pays bi nga xamante nous sommes un peuple pacifique certes très pacifique mais quand nous pousse nous nous day am pas dans la violence non parce que nous ne sommes pas violents les patriotes n'ont jamais été violents mais on va résister résistance constitutionnelle, nous, comme ko on va utiliser de notre droit le plus absolu pour résister pour dire non à ce gouvernement Bon, c'était depuis 2014 depuis que le président Ousmane Sonko bu ni c'est quelqu'un bu nga il va porter le pays fi nga xamante mënuñu ko yobbu parce que amuñu jikko yoyu amuñu capacité bobu amuñu intention bobu ils utilisent le pays juste pour s'enrichir c'est un groupe de personnes ñi nga ni dañuy ils se font des faveurs entre eux avec l'argent du contribuable la vie du Sénégal sans et la vie coûte très cher mais doo leen gis ñu def point de presse pour en parler on ne voit pas le ministre de l'économie on ne voit pas le ministre de la communication on ne voit pas le ministre de la jeunesse on voit personne comme ça, on ñu fi jaar lu y a que deux ministères qui fonctionnent mais Inch'Allah, rabbi on va souffrir c'est vrai mais on va porter le projet là où il doit aller Inch'Allah, rabbi le président Ousmane Sonko nag teg nañ ko nattu mais musulman là dafa am lu mu gëm may profito di masawaale tous les sénégalais mais plus particulièrement ses deux épouses et ses enfants ndax ñoom ñom koy gis quotidiennement ñoko ko gis quotidiennement kon bu démé ba toog këram lu muy dund lu muy ressentir ñom ñoo gis ñoo partager ak ñom euh, je pense que tout le Sénégal a souffert en même temps que ses deux épouses Nous, nous gis on a partagé avec eux quoi que on était loin mais ressentir nañu ñoom cette souffrance C'est mu toll maa ngi leen di massaw euh, ni comme dañu wax pour nous gàttal mais le le projet PASTEF PASTEF nous ngi dund ba parce que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée Nous, comme d'habitude ils mettent la charrue avant les bœufs c'est pas parce que saccager ce siège c'est pas parce que nous déchirer euh, euh, le poster du président Ousmane Son. suñu matériel montant le parti le parti passif est mort il est bien vivant il est dans le cœur. il est dans les esprits c'est un projet qu'on porte et le projet là va aboutir Nous avons combat c'est le combat du système contre l'antisystème mais à tous les parents ñi nga xamante ne seen yi nañu baat qu'ils soient fiers de leurs enfants comme je l'ai toujours dit sa doom boo ko ci fulla ak fayda nga yar ko ci mandu nga yar ko jox ko ay yu xamal ni de l'autre côté toujours du côté de la justice du côté de la vérité et nous sommes du côté de la vérité parce que vérité bu Ousmane président Ousmane Sonko dit wax les sénégalais mom mo len metti le président Ousmane Sonko a dit que j'ai fait 15 ans 15 ans d'exercice pendant 15 ans je ngi inspecteur des impôts de amul ben deureum sénégalais bu mo mus a té ñom wor wóor lañ ma sét nañu gas nañu xol nañ fu né ils n'ont rien vu quand on a xamante le président Ousmane Sonko c'est un homme intègre et que nous sommes du bon côté Nous continuons à faire bi di ñaanal les. Euh, prisonniers politiques yal leen may xolu muñ ñu a ñu ñun fi ci on n'a pas lâché et on va pas les lâcher incha rabbi au soir du 24 février le président Ousmane sera au palais de la République.